du réseau synchronisé de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. Barthélémy À la une, ce vendredi à 0h, fin de la campagne, les électeurs aux urnes dimanche. Mais le taux de participation inquiète déjà. La preuve, beaucoup de cartes d'électeurs sont encore en souffrance au niveau des préfectures et autres commissions administratives. C'est le cas à Kermassar et à Saint-Louis. La campagne électorale qui s'achève donc ce vendredi, le bilan, déception chez certains, qui regrette les scènes de violence, d'autres fistugent les discours provocateurs de certains. Campagne de commercialisation de l'arachide, les autorités décident finalement de sursoir à la mesure portant interdiction de l'exportation des graines, mesure qui devait entrer en vigueur ce vendredi. Le COPEGA euh, se réjouit de cette décision prise par les autorités. Fatigue, plus de 30 personnes déclarées positives au diabète et 230 autres hypertendues. Résultat d'une semaine de dépistage, une conférence de sensibilisation a eu lieu à l'hôpital régional. Les actualités internationales nous iront en Guinée, en Mauritanie et éventuellement en Espagne. En sport, les Lions, après la victoire hier à Bamako face au Burkina, ils sont de retour à Dakar. Ils s'entraînent cet après-midi au stade Maître Abdoulaye Vad. C'est en perspective de la sixième et dernière journée des qualifications de la CAN 2025 Sénégal-Burkina. C'est le 19 novembre prochain. La presse du jour, lecture et commentaire Mohamed Ali Mouba. La campagne électorale qui s'achève donc ce vendredi. En attendant, les acteurs politiques continuent de euh, sillonner le terrain. À Kermassar, par exemple, la coalition Andedole Ligue et Kati organise une caravane dans les six communes du département ce vendredi. Dernier jour donc de campagne. À cet effet, un message a été lancé aux populations, surtout aux artisans. Message transmis par euh, Pape Bilal Dieng, membre de Andedole Ligue et Kati au niveau du département de Kermassar en guise d'information, de sensibilisation surtout. Parce qu'un bon nombre de résidents ici à Kermassar donc, euh, ignorent cette liste qui se nomme ADL et qui est une liste très très très importante. Parce qu'une liste qui euh, compose tous les corps de métier confondus, donc c'est une liste à saluer. C'est une à saluer. Et ce n'est pas une liste politicienne, comme on a l'habitude de voir. Ce sont des corps de métier. Je, peux citer donc les mécaniciens, les soudeurs, les tauliers, les artisans, de manière générale. Les listes qu'on a l'habitude de voir, ce sont des listes politiciennes. Par contre, dans cette liste-là, tu vas même voir des professions qu'on peut voir tous les jours. Parce que dans chaque maison, il y a soit un mécanicien, un taulier, il y aura soit un chauffeur, et j'en passe. Toutes ces professions-là, on peut le voir dans cette liste-là. Donc, il y a une liste complète. Donc, euh, je pense que c'est une liste noble qu'on peut amener à l'Assemblée nationale pour défendre la cause des chères populations. Et puis, euh, Pekes Ngandjouf, dans le département de Tivawon, là-bas, les populations ont accueilli le ministre porte-parole du gouvernement avec une panoplie de doléances. La plus, euh, préoccupante demeure l'état de la route Ngaï Pekes Kilmaha. Le ministre de la formation professionnelle qui était dans le Cayor pour les besoins de la campagne électorale annonce le début des travaux de cette route avant la fin du mois de décembre. cher Diop. De Pékès à Gadi, en passant par Nyahin, Kilmaha, les populations du Cayor des profondeurs entendent la même chanson. Elles en ont assez de voir l'état désastreux de la route Ngaïmere, Pékès, Kilmaha. Le ministre de la formation professionnelle en campagne électorale dans la zone se désole de la situation et promet la réalisation de cette route après les législatives. Le ministre El Malik Ndiaye, infrastructure le ministre des Infrastructures routières m'a donné une assurance. Les travaux de ces routes vont démarrer avant la fin du mois de décembre. Le pôle territoire était également au cœur des échanges entre les populations et le porte-parole du gouvernement. Le défi pour lui, c'est celui du développement économique du Kayor. Dans ce cahors là nous avons des industries extractive et plus particulièrement euh, phosphate. Nous avons également le zircon, un département très agricole, et nous avons aussi l'intention d'industrialiser ce département-là à partir des industries extractives et à partir également de l'agriculture. Mustapha Saré appelle les populations du Cayor à la paix, à la sérénité, pour que les législatives se déroulent normalement et sans violence. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Cheikh Ante Diop, la campagne électorale donc qui s'achève ce vendredi à minuit, à 0 h Le bilan des chez certains qui regrettent les scènes de violence notées ça et là. D'autres fustigent les discours provocateurs de certains leaders. Oumou Kalsoumli. Mamadou Sissé, la quarantaine, habite la cité Soprime. Assis sur une chaise en train de lire son journal, voici ce qu'il retient de la campagne électorale. Vous savez, au début, la campagne avait bien démarré, mais à la fin, nous avons assisté à des scènes de violence, des discours haineux. Il faut également rappeler euh, que les gens qui avaient perdu la vie durant la présidentielle, vous voyez, jusqu'à présent, leurs familles réclament justice. J'invite donc les jeunes à aller voter dans le calme. À quelques mètres de là, nous rencontrons Astunyaï. La jeune dame tire un bilan mitigé. Elle appelle les candidats à plus de responsabilités. Je tire un bilan sombre de cette campagne, surtout euh, du compte de euh, PASTEF euh, et de la coalition Samsa Kado. ces autorités qui tiennent des discours haineux, ce n'est pas responsable. Ils pouvaient bien s'inspirer de Amadouba par exemple, qui incarne le style d'un bon leader. Pape Malik, lui, déplore les violences et certains discours qui incitent à la haine. On a vu une amélioration concernant les, candidats. Ce qu'on déplore beaucoup, c'est la violence qu'on vit de part et d'autre. Donc euh, nous demandons beaucoup d'allégeance par rapport... Euh, aux violences. Vraiment, c'est ça qui est notre inquiétude. Nos interlocuteurs n'ont qu'un seul souci un vote dans le calme et la sérénité. Le scrutin législatif, donc, euh, c'est dimanche après-demain, jour de vote, donc, pour élire les députés de la 15e législature. Mais déjà, le taux de participation inquiète. Et la preuve, beaucoup de cartes d'électeurs sont encore en souffrance au niveau des préfectures et autres commissions euh, administratives. C'est le cas à Kermassar où plus de 65 000 cartes d'électeurs attendent toujours preneur. Le préfet du département, Babakar Ndiaye, que je vous propose d'écouter là-dessus. Présentement, nous avons reçu tout le matériel électoral destiné à l'organisation du scrutin du 17 novembre 2024. Ce matériel est déjà conditionné par les sous-préfets et la mise en place va démarrer aujourd'hui au niveau des différents lieux de vote. Le département de Kermassa a été créé en 2021 et suite à cette création, toutes les cartes d'électeurs ont été rééditées. Cela veut dire que les électeurs de la circonscription doivent se rendre au niveau des commissions pour retirer la nouvelle carte d'électeur. Certains l'ont fait, mais il y en a d'autres qui, jusqu'à présent, n'ont pas retiré leur carte. À la date euh, du 14 novembre 2024, il nous restait 65 690 cartes non retirées. c'est pour moi une occasion, encore une fois, d'inviter les électeurs concernés à bien vouloir se rendre auprès des commissions administratives créées à cet effet pour procéder au retrait de ces cartes. Il ne nous reste plus que deux jours, ce vendredi et demain samedi. Nous avons 249 588 électeurs inscrits. Cela fait de la circonscription un département électoral important et c'est pour cela que nous prenons toutes les dispositions appropriées, surtout sur le plan sécuritaire. Babacar Ndiaye, le préfet du département de Rufisque, à Saint-Louis également, euh, la situation est pareille, beaucoup de cartes abandonnées là-bas également. Le préfet du département a pris la parole. Ousseinou Diop, ce sera lors de nos prochaines éditions. La suite du journal avec toujours le scrutin de dimanche, les législatives. À Seyou, le gouverneur renseigne que tout le matériel électoral est déjà sur euh, place pour Dja Tout toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation de cette élection là-bas à Seydou. Le voici avec Bakari Conté. Depuis hier, euh, je faisais le tour de certains lieux de vote et au niveau également des circonscriptions administratives, notamment euh, dans le département de Bunkiling et le département de séjou euh, Au terme de la visite, il y a lieu de noter que le matériel électoral a été réceptionné entièrement par les, par les préfets et les sous-préfets. Donc, comme vous avez pu le constater ici à la préfecture de Seju, le matériel a déjà été conditionné et il est sur le point d'être acheminé au niveau des centres de vote. Donc de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la région de Sédou, tout le matériel a été réceptionné par les chefs de circonscription administrative. Depuis une semaine, nous sommes en contact permanent avec euh, les préfets et les sous-préfets pour euh, donc euh, à chaque fois que matériel manquant est signalé, procéder donc à la mise à disposition de ce matériel. Même hier, nous avons reçu des compléments par rapport à un matériel manquant. Et c'est pourquoi je vous dis que euh, actuellement, il y a lieu de dire que tout le matériel nécessaire à une bonne organisation des élections a bien été réceptionné par les préfets et les sous-préfets. Les élections de dimanche, donc, quelle lecture faire à présent du euh, communiqué du euh, CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel qui appelle les médias à ce que les résultats diffusés soient vérifiés et usent des instances habilitées à les proclamer euh, que les gens euh, se détrompent, les reporters peuvent bel et bien diffuser les résultats provisoires affichés devant les bureaux de vote selon Mamadou Chor. Il est le président du CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les euh, médias. Pour lui, c'est la lecture à faire de ce communiqué du CNRA. Le voici avec Kumba Sanjan Faye. Ce pas la lecture qu'on doit avoir de communiqué du CNRA. Le CNRA attire l'attention des professionnels que nous sommes. il faut travailler avec prudence à cette étape euh, du processus électoral parce que euh, la limite c'est la dernière étape. Et vous savez, nous sommes dans un monde de fake news. Donc quand on donne les résultats, quand ces résultats sont affichés devant les bureaux de vote, ces résultats tombent dans le domaine du public comme nous le faisons depuis 2000. Personne ne peut empêcher les professionnels des médias de donner ces résultats. Euh, CNRA, Abla, a e en 2009, des élections municipales, il n'a pas réussi. Donc ça, euh, que les gens se détrompent, c'est pas à ce niveau-là. Mais il y a, euh, parmi les, bureaux de vote, il y a beaucoup de membres qui siègent. Et vous savez, euh, ces acteurs-là ont, tendance à vouloir manipuler. Il faut être prudent avec euh, les gens qui sont dans les bureaux de vote, que ce soit les représentants des partis politiques, les informations qu'ils vont nous donner. Il ne faut pas les prendre pour agents comptant. Mais ce qui est affiché devant les bureaux de vote, ça, ça fait foi personne ne peut empêcher les professionnels de donner ça. Et euh, euh, les, états-majors vont agréger les différents résultats que les journalistes nous vont donner. Et là, deux heures après la fermeture des bureaux de vote, on connaît les, grandes tendances. Comme ça, tout ne se pas. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est aujourd'hui 15 novembre la date qui a été fixée pour l'entrée en vigueur de la mesure portant interdiction de l'exportation des graines d'arachide dans le cadre de la campagne de commercialisation, eh bien, les acteurs du monde rural se disent contre cette décision. Il souligne que la mesure risque d'avoir des conséquences sur, la filière arachide. Fatumbaou, notre correspondante à Kaulak. Les cultivateurs, maraîchers et éleveurs du Sénégal s'indignent de l'interdiction d'exporter les graines d'arachide. Ibrahim Tiam, chargé des revendications, s'oppose fermement à cette mesure entrée en vigueur ce vendredi. Je dis que les agriculteurs qui n'ont pas de moyens seront impactés à jamais. Une mesure prise que nous ne soutenons pas et que nous dénonçons également. Le mouvement Ars nous partage cette opposition et dénonce une oppression totale. Basiruba, tête de liste nationale de Natal Kaoki, promet d'ailleurs de porter ce plaidoyer à l'Assemblée nationale s'il est élu. C'est anormal et je vois qu'on est en train de nous opprimer vraiment, chose que nous n'allons pas accepter je vais porter le dossier devant l'Assemblée nationale une fois élu. Cette mesure risque d'avoir des conséquences pour de nombreux acteurs agricoles, estime à Mouamel, qui exige la publication du prix de l'arachide. Les conséquences seront nombreuses comme les bons impayés. Il faut que les agriculteurs le sachent. Le prix de l'arachide qui sera revu à la baisse attendons 150 francs pour le prix. Même si l'État a fixé des prix élevés, sans mesure d'accompagnement, c'est zéro. Nous savons qu'il veut coûte que coûte aider la Sonacos, mais la publication des prix est essentielle avant les élections du 17 novembre. L'interdiction de l'exportation est désormais effective et cette situation inquiète déjà de nombreux agriculteurs qui se disent sans espoir. Fatoumbo Kaulak, Radio Futur Média. Aux dernières nouvelles, le gouvernement a finalement décidé, décidé de sursoir à cette mesure portant interdiction de l'exportation des graines d'arachide. Cela fait suite à la rencontre que le ministre de l'Agriculture a eu hier euh, que le ministre de l'Agriculture a eu hier avec les huiliers et les exportateurs. Un compromis a été trouvé entre les différentes parties. Des exportateurs saluent cette mesure et compte euh, accompagner l'État pour euh, la réussite de la campagne de commercialisation de l'arachide. Habib Cham, le président du COPEGA, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide. La première euh, priorité, c'est de trouver quand même un prix rémunérateur aux producteurs, c'est-à-dire un prix très conséquent qui permet aux producteurs quand même d'avoir une satisfaction. Ça, c'est la première priorité, l'agriculture, puis rémunérateur de producteurs. La deuxième priorité, c'est de préserver et de sauvegarder les semences certifiées. La prochaine, on ne distribuera plus de semences écrémées, ce que des semences certifiées. Et que cette priorité, c'est de sécuriser d'abord les semences certifiées à environ 100 à 150 000 tonnes, qui va ni aller aux, aux industries de transformation, ni à l'export, c'est-à-dire que les sécuriser totalement. Et que la troisième priorité, c'est au au niveau de l'approvisionnement des huiliers et que euh, on est d'accord là-dessus parce que l'approvisionnement des huiliers est aussi les semences aux enjeux à peu près de 500 000 tonnes et dispatcher quand même de 150 000 tonnes et de la capacité aussi des, des huileries à pouvoir la capacité des huileries, de, de, leur capacité de structuration. Et que cela dit, et qu'après l'approvisionnement, la, la nouvelle donne, et ce qui est nouveau est que nous exportateurs, nous nous engageons quand même à fournir une partie des, besoins des huileries en graines. On va décortiquer et puis on va constituer leurs besoins. Si les besoins des huileries sont satisfaits et que les semences sont sécurisées, je pense que euh, les semences, les exportations, ouvrir euh, incessamment pour pouvoir quand même euh, permettre euh, aux acteurs de, même de l'exportation de, de, continuer leurs activités. C'est ça qui a été acté hier, ce qui prouve que la musique conservatoire quand même de, de n'est plus d'actualité. Habib Cham, le président du COPEGA, le collectif donc des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, je rappelle que le gouvernement a finalement décidé de sursoir à la mesure portant interdiction de l'exportation euh, des graines. À euh, midi 16 minutes, la suite du journal, je vous l'annonçais en titre, une semaine de dépistage du diabète et de l'hypertension à fatigue. Une initiative du service de cardiologie de l'hôpital régional. Plus de 30 personnes ont été testées positives au diabète et 230 autres déclarées hypertendues. Une conférence de sensibilisation sur ces maladies a eu lieu à l'hôpital régional en présence d'Aminata Goudiapi à fatigue, le nombre de patients diabétiques s'accroît. Des séries de dépistages effectuées ces derniers jours dans la ville et dans certains villages environnants ont permis de détecter encore des dizaines de cas de diabète. L'hypertension fait aussi des ravages. Docteur Cher Ahmadou Bambotine, cardiologue à l'hôpital régional de Fatigue. Et sur 1084 personnes qui ont été dépistées, ah, il a été retrouvé 235 personnes qui étaient hypertendues et qui ne se connaissaient pas hypertendues, 33 diabétiques et 22 personnes qui étaient en même temps hypertendues et diabétiques et des gens qui ne se connaissaient pas qui ne connaissaient pas encore le statut. Et également, ils ont été orientés à l'hôpital ici de fatigue et euh, on a commencé le suivi puisque c'est des pathologies chroniques. Des spécialistes de fatigue et d'autres régions ont initié une conférence sur le diabète. L'objectif est de sensibiliser les malades aux bonnes attitudes à adopter pour un déroulement correct de leur régime. Des thèmes sur d'autres maladies chroniques ont été également abordés. Docteur Armandou Sissé, diabétologue. Les malades diabétiques ont répondu à l'appel de même que des gens qui n'avaient pas de diabète mais qui venaient en soutien à, ces patients-là pour nous, personnellement, choisi de parler de mieux vivre avec son diabète. Le traitement du diabète coûte encore cher selon beaucoup de participants à cette conférence. L'État devra encore faire des efforts. Le Sénégal il fait partie des rares pays où l'insuline est subventionnée, mais ça ne suffit pas. pour vraiment que les autorités fassent beaucoup plus d'efforts pour mieux apporter, pour apporter de l'aide à ces patients diabétiques qui sont demandeurs. Parce que des fois, ce n'est pas que les diabétiques. Ils peuvent être diabétiques, avoir de l'hypertension, une dyslipidémie, avoir d'autres maladies. Le service de cardiologie de l'hôpital régional de fatigue a voulu, à travers ses dépistages et cette conférence, marquer la journée mondiale du diabète célébrée hier. Aminata Goudjabi, Fatigue RFM. Aminata Goudjabi, avant d'accueillir Anna Rocha pour le journal international, cette information, euh, l'accident donc euh, qui a eu lieu durant la campagne électorale euh, impliquant un cortège du parti PASTEF Accident survenu à Daru euh, Naïm, euh, une victime donc qui est encore décédée de cet accident, ce qui porte à deux le nombre de victimes de décès donc euh, liés à cet accident. Il s'agit bien sûr de Serigne cham qui a finalement succombé à ses blessures. Information de chercheur Mbake sur sa page Facebook. Nous y reviendrons midi 19. L'actualité internationale. Bienvenue à Narocha. Merci beaucoup Barthélémy Gomme. En Guinée d'abord, les forces vives qui s'opposent à l'avant-projet de constitution. La coalition de partis euh, d'opposition et d'organisation de la société civile dénonce une campagne déguisée de promotion et de justification euh, de la candidature du général Mamadi euh, Doumbia à la prochaine présidentielle. Le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée est prévu pour cette fin d'année 2024, mais les autorités de transition n'ont toujours toujours pas fixé de date pour les élections. Nafis Atousila. Depuis la semaine dernière, le Conseil national de transition sillonne le pays pour mener une campagne de vulgarisation de la Constitution avant son éventuelle adoption par référendum. Sur RFI, le coordinateur national du Forum des forces sociales dénonce une campagne politicienne pour mettre à plat les dispositions de la charte pour la non-candidature des responsables de la transition. Abdul Sako accuse par ailleurs les autorités de transition de dilapider les ressources publiques à travers cette campagne de vulgarisation de la avant projet de constitution, le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbia, s'est engagé à tenir un référendum constitutionnel avant la fin de cette année, sans fixer de date. Les partis de l'opposition guinéenne y voient une nouvelle manœuvre de la junte pour conserver le pouvoir. La campagne de vulgarisation de la future constitution guinéenne a été lancée en grande pompe à Conakry le 6 novembre dernier. L'initiative est censée rassembler les populations autour du texte et faire en sorte qu'elles participent à sa conception. Anna euh, Et puis au Bénin, Anna, l'ONU qui demande la libération de l'opposant Joël Aïvo. Ce professeur de droit a été condamné en 2021 à 10 ans de réclusion criminelle pour euh, blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies estime que la privation de liberté de Joël Aïvo est arbitraire. Le groupe demande sa libération immédiate, mais aussi euh, de lui accorder le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation euh, pour de nombreuses euh, ONG. Le cas du professeur Aïvo illustre la dérive autoritaire du président euh, Patrice Talon. En Mauritanie, les audiences du procès en appel euh, du président Mohamed Ould Abdelaziz ont été suspendues. À peine le procès en appel s'est ouvert donc le 13 novembre dernier à Noshot. Mohamed Ould Abdelaziz est accusé d'avoir constitué une grosse fortune durant sa présidence. Il avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. En Espagne, on a le président de la région de Valence qui reconnaît des erreurs dans la gestion des dernières inondations. Carlos Mathon a aussi présenté ses excuses aux sinistrés. Je ne vais éluder aucune responsabilité, a-t-il dit dans un discours prononcé ce vendredi devant le Parlement régional espagnol. Le dirigeant euh, fait l'objet de vives critiques en raison de sa gestion euh, qualifiée de défaillante des inondations du 29 octobre dernier. Des inondations qui ont coûté la vie à plus de 200 personnes, majoritairement dans sa région, c'est-à-dire en Valence. Plusieurs euh, personnes réclame maintenant sa démission. Merci beaucoup, Anna Rocha. que là, cette première place-là, c'était une place euh, qui était très, très, très, très, très, très importante pour nous. quand on l'a pris. Et donc je pense que voilà, bravo à Papchao et bravo à tous les joueurs. Voilà, Moussa Djata entraîneur de euh, l'US Waka et Barthélémy Bingom euh, les, euh, les, éliminatoires donc vont se poursuivre ce vendredi et à 13h on aura Botswana Mauritanie pour la poule C, Ouganda Afrique du Sud pour le groupe K, à 16h nous aurons Cap-Vert Égypte, Zambie Côte d'Ivoire et retenez que là aussi sera la bataille pour la première place donc du groupe G. À 16h toujours, Mozambique, Mali. Là-bas aussi, ce sera une bataille pour la première place entre euh, Mozambique et euh, le euh, Mali. toujours donc pour les programmes de ce vendredi dans le groupe I à 16h, Eswatini aura Guinée-Bissau. À 16h toujours, Zimbabwe, Kenya. Gambie va faire face donc à Comores. Euh, Gabon, euh, Maroc, Angola et euh, Ghana. Et aussi, voici donc la liste des équipes Barthélémy Ngom a déjà qualifié pour la Cannes Maroc 2025. Nous avons le pays hôte, le Maroc, Burkina Faso, Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, la RDC, l'Angola, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, Ouganda, l'Afrique du Sud, Gabon, Nigeria et la Tunisie. Et nous parlons de la Ligue des champions féminines de la Ligue des champions féminines de la CAF, bien sûr. La troisième et dernière journée des phases de poule se joue cet après-midi avec euh, la dernière chance, on va dire, pour euh, les aigles de la Médina qui vont affronter tout euh, puissant Mozambique. ce sera dans la poule A. Toujours dans cette poule, University Western Cape aura Ice Far. Et pour la poule B, on aura Edo Queens qui fera face à Mamlodi Sundowns. et puis le FC Massar va rencontrer Commercial Bank of Ethiopia Sport Association euh, euh, Barthélémy euh, retenez que toutes ces rencontres donc, sont prévues à la même heure, c'est-à-dire 17h GMT. Remise en service euh, annoncée du stade Alioune Sito et Diata de Ziguinchor, les dirigeants du club, le Casasport, se réjouissent de la nouvelle. Le secrétaire général du club, Fagnon de Ziguinchor, parle euh, d'une décision salutaire qui va euh, reconnecter le public à son équipe Siaka Bodjan et d'avis que ça va impacter sur les performances, ça va impacter les performances bien sûr du club et le moral des joueurs. Il est au micro de la Minbar. Effectivement, comme vous le, nous l'avons constaté tous, hein, le SAD Alice Diata, à travers ce communiqué du ministre euh, des Sports, euh, va être mis à disposition des sportifs de la région à partir du mardi 19. Naturellement, pour le Casco, c'est un véritable ouf de soulagement hein, de constater que le Casco va pouvoir désormais recevoir ses, ses, ses, matchs, jouer ses matchs à domicile au Stade ce qui n'est pas une mince affaire à, bien des égards, hein, qui est bénéfique à, bien des égards, à tous les niveaux, que ce soit au plan sportif, au plan économique, au plan social. Hein. c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle que nous, que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme en espérant que véritablement cela va réconcilier le Carrascore avec, euh, avec son public hein, qui, en avait, euh, qui en a été sevré pendant pratiquement un an et demi, que ça permet au Carre-Sport de renouer avec euh, les victoires parce que jusque-là le Salon Sudiata était devenu une citadelle imprenable, hein, que ça permet également au club d'économiser davantage d'argent par rapport aux dépenses excessives. Hein, et que la délocalisation de matchs euh, a, occasionné. Hein. Donc à tout point de vue, comme je l'ai dit, ce n'est que du bonheur de constater que le stade Yata va être mis à la disposition des sportifs de la région de des en particulier au Casasport. Sport. Et c'était euh, Siaka Bodjan, le secrétaire général euh, donc, du club Fagnon de Ziguinchor, en, donc, en dehors euh, Barthélémy du stade donc, à l'une située Diata de Ziguinchor. On aura également le stade Elimanel Fall de Djurbel et de Lamingay de Kaolak Et ces stades seront fonctionnels à partir du mardi 19 novembre 2024. Et c'est tout pour cette page des sports. La réussite du sport dépend des infrastructures. Merci beaucoup, jour. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre rue de presse. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Fin de la campagne électorale pour les législatives aujourd'hui. Plus que quelques heures encore pour convaincre les plus sceptiques. Car dimanche, ce jour de vote au Sénégal, les confrères dressent le bilan de cette campagne électorale. Le témoin qui s'élance note que c'est une fin de campagne violente. Fortune diverse à l'heure du bilan retient en manchette le confrère. Meeting, caravane, visite de proximité ce vendredi, dernier jour de campagne écrit d'ailleurs le soleil. Jusque-là, ces programmes introuvables relèvent le quotidien. Aucune liste n'a pu présenté jusque-là de contrats de législature. Tribune qui prend fait cause pour Sam Sakadou nous dit que cette coalition veut en fait, en cas de cohabitation, relancer l'économie pour donner espoir aux Sénégalais. Bougan Gaydani insiste sur la nécessité de restaurer la confiance des investisseurs. Dans Vox Populi, Barthélémy Sarge, le leader de PASSEF, son cherche à saboter la fin de notre campagne, soutient-il. Mais nous répondrons dans les jours Dans le même journal, Sonko lui tire sur les ennemis de l'extérieur qui ont dit les Mamadouga, Thomas Sankara, etc. Cible d'attaque du président de PASSEF, Oussar s'en prend rageusement à son de son côté. Tout le problème, selon lui, c'est que il a refusé de se ranger derrière Ousmane Sonko. Il dit Mon combat n'est pas dirigé contre les étrangers, mais contre l'État. Le caractère pelliqueux de Sonko fait qu'il n'est pas un homme d'État. Un homme d'État doit avoir de la froideur. Nationalisme et patriotisme, débat glauque entre les deux. Ousmane Sonko et Taïroussar s'affrontent en fait sur l'identité nationale. Sonko défend l'ouverture et a les discours anti-émigrés, Taïrousa prend des mesures strictes. En conférence de presse, Taïrou a invité son quoi à une confrontation sur leurs deux visions. Farbangom, lui aussi, a répondu à la tête de liste Sam Sakadou. Farbangom descend en flamme le Premier ministre. Tes menaces, dit-il, ne sont que la manifestation d'un complexe que tu portes depuis longtemps. Si être Macky Sall, c'est être délinquant, eh bien, j'assume ma proximité avec Macky Sall. Et de poursuivre en disant que c'est ma dernière campagne, tu n'as pas dit la vérité. Je n'ai de compte à rendre à personne. Le Sénégal n'est pas un terrain de jeu pour un enfant gâté. Fin de citation. Sur les violences politiques à son lui Réumi Quotidien informe ce matin que les 81 personnes arrêtées euh, seront jugées le 2 décembre prochain. Tous ont été placés sous mandat de dépôt hier et non sexuellement. La euh, publication à la une du journal Direct News, mort de Mamadou Mustafa Ba, suicide ou homicide de Sainte-Roche. La publication, le journal constate en tout cas que les investigations menées en France ont conclu que l'ex-ministre serait aurait donné la mort. Euh, octobre dernier, l'état du corps rendant jusque-là toute identification extrêmement difficile en nom a été mis sur le défunt après que son épouse a signalé sa disparition aux autorités françaises le 23 octobre dernier. À la différence de leurs homologues français, les juges sénégalais n'écartent pas la thèse de l'homicide, la thèse du meurtre. Et puis sport pour boucler à la une du journal L'Info éliminatoire Cannes 2025. Les Lions du Sénégal remportent le duel de la première place. Le journal LAS note que les Lions sont devenus leaders de cette poule après avoir euh, donc dominé le Burkina battu par un but à zéro. dont le journal LAS Papiaou, le sélectionneur intérim des Lyon dit qu'il fallait euh, se donner à fond dans cette partie pour euh, gagner. Le journal Tribune relève que c'est Habib Yara qui a délivré Papiao et le Sénégal dans les dernières minutes. Bonne nuit à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Midi, 34 minutes, fin de ce journal présenté par Barthélémy mise en onde Aliba. Réalisation Eladjindio Retrouvez à 13h Seydou Nourouba pour le euh, journal en of Bonne suite. Le programme, les programmes de la radio Futur Média qui se poursuivent bien sûr. Le journal de la euh, le journal de la campagne <laughs> plutôt, vous m'excusez, le journal de la campagne électorale, la campagne qui justement s'achève ce, euh, euh, soir à partir de 0h. Georges Détiediop, bonjour. Bonjour Barthélémy Gormé. Alors, vous êtes à face au soutien tient la conférence de presse de ou Bess. Quels sont les euh, principaux sujets qui ont été euh, euh, évoqués par Falel Fadel et compagnie à quelques jours du scrutin mhm, Effectivement, Georges, le mouvement Djamé Gorhi se prononce à la veille des élections législatives anticipées et naturellement, son président Fadel Barro a lancé un message de paix. Il est revenu sur les tensions notées ces derniers jours qui, selon lui, ont réveillé de mauvais souvenirs. La coalition Djamigorhi interpelle directement le président de la République, Bassirou Diomaye à prendre toutes, les mesures nécessaires, à prendre ses, responsabilités, mais aussi à préserver les institutions, mais aussi d'imposer le respect. Fadel Barro est revenu Georges sur les dernières déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko tout en évitant ainsi le, président aussi à jouer pleinement son rôle et de sonner la fin de la récréation et rétablir son autorité car la paix sociale est hypothéquée. Georges Fadel Barro c'est aussi euh, prononcé sur le débat sur le nationalisme agité récemment. Il a clairement dit que ces, ces genres de discussions doivent être L'ex-membre du mouvement Yanama a aussi euh, a aussi évoqué le phénomène de l'immigration irrégulière. Il a aussi invité les autorités à se pencher sérieusement aux vrais problèmes euh, de la population il a fini, Georges, par inviter les Sénégalais à, aller voter massivement, mais aussi à dissocier les menteurs, je reprends ces termes, les fauteurs de troubles aux politiciens qui veulent vraiment faire changer le Sénégal, Merci, Salimatao, en direct de Face où se tient la conférence de presse de Diamou Goryou Bess. Diaspora, aujourd'hui on atterrit à Bordeaux en France. Diaspora aujourd'hui donc euh, qui fait escale à Bordeaux. Oumar Sambatiam vit euh, dans cette ville, sa principale préoccupation. Comment pourrait-on faire une revue de presse et ne pas relayer les activités de, fin de campagne, c'est-à-dire les activités du vendredi, qui seront relatées dans les, dans les quotidiens du lendemain, le samedi, le samedi tombant euh, euh, dans, le coup euh, de, cette loi, de, cet arrêté qui interdit qui toute propagande à la veille de, la campagne électorale. Ça, c'est vouloir nous tordre le bras. Et moi, je puis vous vous assurer vous vouloir respecter euh, scrupuleusement cet arrêté de, euh, CNRA, c'est mettre un, trait sur la rue de presse. Et nous ne pouvons pas élaguer la revue de presse dans le traitement euh, des éditions, dans, les différents programmes du, lendemain. Alors, est-ce que le CNRA peut continuer à inviter à, à, la non-propagande à la veille je scrutin quand on sait que maintenant l'espace médiatique est devenu tellement élargi avec euh, les réseaux sociaux qui sont venus se greffer dans ce monde médiatique et le CNRA ne peut pas réguler le monde des réseaux sociaux. qui pourrait dire euh, qu'il n'y aurait pas demain euh, dans les différentes forces des réseaux sociaux, dans les émissions qui se feront dans ces, dans ces sites-là, qu'il n'y aurait pas de politique. Le CNRA ne pas, ne peut pas être sûr de ça. Alors pourquoi tordre le bras euh, aux radios, aux télés et ne pas essayer de voir comment réfléchir à harmoniser euh, cette disposition Et soit tout le monde respecte cette période de non-propagande, soit on l'enlève quand on sait qu'on ne peut pas résider l'espace médiatique. Evelyne coordinatrice des rédactions du groupe des médias. course contre la montre ce vendredi. Les candidats ont principalement prévu des caravanes et meetings, les dernières activités publiques avant le scrutin dimanche. L'agenda du jour, aussi là. Meeting de clôture. En cette dernière journée de campagne électorale, les bases se mobilisent pour boucler en beauté. Les directeurs de campagne des partis et autres coalitions, tous déterminés, surtout dans leur fief. Sam Sekadou de Barthélémy Diaz et compagnie donnent rendez-vous à tous leurs militants à Anne Belair, où les attend le maire Baba Beng, tête de la liste départementale de la coalition Sam Sekadou. Mais avant, à 15h, ils donnent rendez-vous à leurs militants pour une carrière caravane qui va démarrer à Grand Yoff, puis au Parcès Assénie avant euh, de rallier Anne Belair et ce sera après la prière du vendredi. La coalition Jamak Njarin de l'ancien premier ministre Amadouba sera reçue dans l'après-midi dans la banlieue dakaroise entre Pikine et Guédiawaye pour la coalition Takoualou des républicains et autres libéraux dirigés par Macky Sall. Cette fois-ci, ce ne sera pas une caravane ni un rassemblement comme d'habitude, mais un meeting pour clôturer ce meeting d'ailleurs dans toutes leurs activités de campagne, événement qui se fera aussi sans leur tête de liste, Macky Sall. au Sénégal de Abdoulaye Silla clôture cette campagne électorale à 15h par un méga meeting et Kurmassar est à l'honneur kurmassar qui va aussi accueillir la coalition Waref de Amadouli Akile. Elle compte terminer par une grande caravane. Après avoir annulé leur giga meeting de clôture départementale à Kermassar, les patriotes vont d'abord tenir une caravane à Dakar dans la matinée pour boucler leur campagne avec ses étapes. Medina Wakam avec leur tête de liste Ousmane Sonko qui après va rallier Bignona pour une caravane de clôture à partir de 18h. Hors de Dakar, Amadou Toubanyan du mouvement Wardjef, tête de liste de garde ADS, termine sa campagne avec un meeting. Ce sera à Mbake. Abdou Karim Sal, de la coalition Andechiko Loutengir Sénégal AKS boucle la boucle par une caravane à Pikine La coalition Andesoukali Production, Transport et Commerce Sandouille après une caravane à Djander met fin à sa campagne par un meeting toujours à Djander. Après les 14 régions du Sénégal, la coalition du secteur privé de Biral boucle avec euh, une caravane dans les lieux de commerce après le marché de Gultapé. Nous avons actuellement un projet pour le transport urbain et interurbain. Les banques nous font confiance. Il reste uniquement le soutien de l'État. Aux acteurs politiques qui se livrent à la violence, le poulain du syndicaliste sandouille dit ceci. La violence est à bannir dans l'arène politique. C'est vraiment dépassé. Même les animaux ne se disputent plus. Les candidats doivent sensibiliser les accompagnants. Certains profitent de la situation pour voler les biens des concitoyens. La campagne est une période de communion et non de discorde. RFM. nous sommes le 23 octobre 2024. C'est un revirement complet. Et pourtant, il y a quelques mois, Détiéfal était dans Sam Sakado, cinquième sur la liste. Cap sur le nord du pays, Abdoulaye Salissal, maire de nabadi Siwol. Nous sommes le 2 novembre 2024. Il a fini de rejoindre Ousmane Sonko et Yomai C'est un coup de poignard dans le dos de Macky Sall, car Abdoulaye Salissal, c'était un des meilleurs amis de Macky Sall. change pour Nabadi, ça je peux le dire et le témoigner. C'est pas seulement un conseiller personnel de M. le Président de la République nous n'avions presque rien. Aujourd'hui, l'ensemble de nos villages sont électrifiés, l'ensemble de nos villages ont accès à l'eau potable, tout ça grâce aux actions du président de la République. Et aujourd'hui, la route njumburu bakel est presque terminée. Dans quelques jours, le président de la République va lancer la route du Dan de Mayo, l'hôpital de Mourosodi avec aussi l'ISEP de Matam et beaucoup d'autres choses. amin gandi kadi ko qualité on te respecte beaucoup et on te respectera inchallah pourquoi je parle comme ça parce que je suis content parce que min mi ginta. Diomaye et Sonko ont réussi même à rallier le très gauchiste Diop de Croix qui vote désormais seul dafa am gagné ak gagné dama bëgg Thiès ba trois ba quatre ba cinq députés sur la liste nationale da ngeen Thiès yéen man ngeen ko wa Thiès man ngeen ko di ngeen ko def Malika passé présent Voici ce qu'il disait à propos du couple Sonko Yomaï. Non Tout le monde perdra. Et ce sont les ennemis du peuple sénégalais qui vont gagner. Je crois qu'on a tous compris et on poursuivra ce combat pour mu bañ a yem rek ci wax loolu Sénégal c'est bien Sénégal. mais ku c'est sama quand wax lu wute ak li ma wax samay militant war l'a saaga war laa attaqué ah non ça c'est pas possible.